forum district the forum district the forum district the forum district the forum district the forum district the forum district the forum district the forum district the forum district Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h17 minutes. Bienvenue au forum du studio Kalango. Au micro, Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalango sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Amphani FM 100. Vous pouvez aussi nous écouter à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et des localités d'Arlit, Filengue, Birningaure, Chirozérine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saïd. Pour ce jeudi 6 octobre 2016, nous allons revenir sur le report des élections locales et municipales initialement prévues le 8, le 8 janvier 2017, des élections reportées à une date ultérieure mardi à la suite de la réunion du Conseil national de dialogue politique CNDP. Retour sur ce report avec la réaction d'un acteur de la société civile le président de la Voix des Sans-Voix, pour Nassir Seydou, il n'y a aucune raison valable de reporter ces élections locales et municipales qui sont aussi importantes que les élections législatives et présidentielles. Et puis le point de presse d'hier soir du ministre délégué au budget, Ahmed Jadoud, a expliqué aux fonctionnaires de l'État les raisons pour lesquelles leurs indemnités ont été coupées depuis le mois de septembre. À la suite de cette intervention, le syndicat national des enseignants du Niger a réagi par la voix de son secrétaire général Issou Farizika dit qu'ils ne sont ni d'accord avec les raisons avancées ni avec la méthode utilisée par le ministre délégué au budget. Nous irons par la suite à Tilaberi pour faire le point sur la campagne agricole. La direction régionale de l'agriculture note que les pluies ont été précoces cette année, mais des attaques d'ennemis des cultures sont signalées un peu partout. En fin du sport, avec le report du championnat national de taekwondo prévu initialement le 8 octobre et reporté en décembre, le manque de fonds serait la principale raison de ce report. Oui, les élections locales et municipales initialement prévues le 8 janvier 2017 sont reportées à une date ultérieure. C'est la décision du CNDP à l'issue de sa réunion de mardi dernier qui a regroupé principalement les partis politiques de la majorité. Quelle réaction se report il du côté de la société civile Pour le président de la voix des 100 voix il n'y a aucune raison valable de reporter ces élections qui sont aussi importantes que les élections législatives et présidentielles passées. Voici ce que dit euh, euh Nassir Sedou quand nous l'avons joint euh, en début d'après-midi. La classe politique tout entière euh, a montré à l'opinion nationale et internationale que la démocratie à la base, aujourd'hui, ce n'est pas ça la priorité ce qui est priorité pour la classe politique nigérienne, c'est organiser des élections présidentielles, législatives. Et puis bon, les autres, euh, on peut faire semblant de faire ou de ne pas faire. L'essentiel a déjà été fait. Sinon, on ne peut pas comprendre dans un pays où les gens ont des problèmes de compréhension même des fondamentaux de la démocratie, qu'on fasse comprendre aux Nigériens, bon, que pour des problèmes d'argent, au pour des problèmes de l'impréparation de certains partis politiques, on peut reporter les élections législatives. Or, c'est ça le fondement de la démocratie, c'est ça qu'il faut apprendre aux citoyens, qu'on doit choisir des conseillers valables au niveau des terroirs pour pouvoir gouverner au niveau des terroirs et faire en sorte que tous ceux qui appartiennent au terroir profitent véritablement aux citoyens qui y sont. Mais quand on peut constater que pour un rien, on peut reporter les élections et de manière consensuelle toute la classe politique. Ça veut dire que la société civile, les travailleurs, les syndicats et tous les autres doivent se dire que nous avons beaucoup à faire pour créer les conditions que cette classe politique respecte véritablement la démocratie à la base et fasse en sorte que ce ne sont pas des élections présidentielles et législatives qui sont seulement importantes, mais les plus importantes pour nous, c'est celles qui peuvent consacrer la gouvernance à la base celles qui peuvent consacrer la promotion de la bonne gouvernance dans nos communes. Certainement, nous amener dans cette affaire d'administrateurs délégués où les gens vont venir piller les terroirs où on va les nommer et puis faire en sorte qu'ils reviennent allègrement construire leur village à l'image de ce que les gens sont en train de faire un peu partout. Il faut en sorte que les citoyens comprennent que la démocratie un n'est que verbale, que la démocratie un que de passage, Mais ce qui importe pour eux, c'est la gouvernance à Niamey, pas plus. Qu'est-ce que vous allez faire en tant que euh, ONG de sauvegarde de la démocratie, justement Je pense que c'est de sensibiliser, de créer ou de tirer la sonnette d'alarme vis-à-vis des dirigeants pour que déjà le report étant consacré, ça, ils l'ont consacré à travers euh, leur euh, commission du CNDP où ils se regroupent et font en sorte qu'ils valident tout le destin du pays, même si c'est une institution qui, au regard de la loi, ne, ne pèse pas ou ne vaut pas grand-chose, mais sur le plan politique, euh, ils prennent toutes les décisions qui s'imposent et ils font entériner ça par le gouvernement. Je pense que au niveau de ce Conseil national du dialogue politique, nous allons attirer leur attention pour faire en sorte que ces élections se tiennent dans les plus brefs délais. Parce qu'apparemment, ce n'est même pas le report qui est dangereux, mais c'est la projection dans les canaux grecs. Parce que les gens parlent de 2019, 2018, 2020. Peut-être même que ça n'aura même pas lieu. Donc si dans un pays, on peut banaliser à ce stade les élections locales, je pense que cela doit alerter tout le monde et faire en sorte que comme d'habitude, les gens se réveillent et créent les conditions du respect de la démocratie, du respect de l'état de droit et de la valorisation de la démocratie, surtout à la base. On a l'habitude de voir au Niger, c'est pas pour la première fois même l'autre législature qui était terminée, les élections locales, on ne faisait que repousser, repousser, repousser, jusqu'à arriver à un stade où les gens étaient presque fatigués. Mais maintenant, la plus mauvaise formule, c'est ce qu'on entend parler des administrateurs délégués. Donc, une manière de légitimer ceux qui seront nommés par décret et qui vont prendre place et cause pour euh, les gens qui doivent être nommés. Et c'est vraiment tout un travers pour la démocratie, même si les gens vont réviser la loi au niveau de l'Assemblée pour l'adapter un peu aux circonstances du moment. Nous, nous estimons que c'est un travers pour la démocratie nigérienne. Ce n'est pas une bonne chose que les gens doivent euh, essayer de pérenniser. Il faut qu'on revienne à la normale. De la même manière dont les élections présidentielles et législatives constituent une priorité pour le gouvernement, les élections locales doivent en être en tête. Ce n'est pas une raison qu'on nous parle de fichiers, de métriques, qu'on nous parle de ceci ou de cela. Dans tous les cas, dans les mêmes conditions où on a fait les élections présidentielles et législatives qui ont été validées, on peut tenir les élections locales avec les mêmes instruments et que ça soit validé. Les gens n'ont qu'à chercher d'autres raisons ailleurs, mais des raisons qui doit avancer n'ont pas encore convaincu le plus petit citoyen. Quand on parle de fichiers biométriques, euh, de révision des textes électoraux, vous n'êtes pas du tout convaincu On ne peut pas convaincre. Dans quelles conditions on a fait les élections présidentielles législatives qui ont consacré l'avènement de ces autorités actuelles au pouvoir Et Dans les mêmes conditions, nous nous estimons on peut organiser les élections locales. J'ai entendu certains politiciens effectivement prétexter que c'est à cause de ces fichiers qui a été mal. Mais dans tous les cas, il n'y a jamais eu un fichier au monde qui est parfait. Il n'y a jamais eu des élections au monde qui sont parfaites toujours des anomalies et les mêmes anomalies avec lesquelles on a consacré l'avènement du présidentiel législatif, euh, elles peuvent être tolérées aussi pour créer les conditions de l'organisation des, conseillers au niveau local et faire en sorte que les gens comprennent que la démocratie à la base est respectée. Parce qu'il y a deux démocraties, celle de la base et celle du sommet. Si on fait en sorte que les soutiens comprennent que celle-là qui le concerne directement, où il va aller choisir son conseiller pour diriger sa mairie, elle-là, elle est moins importante. Je pense qu'on l'amène de plus en plus à prendre conscience que cette démocratie, elle est désirée et c'est une démocratie qui doit servir les gens qui sont en haut et non une démocratie qui doit servir lui qui est citoyen bas et à qui on demande toujours de vous. Les hommes politiques n'ont qu'à faire attention. Ce n'est pas n'importe quelle couleur qu'on peut faire accepter aux citoyens. Les citoyens aujourd'hui sont matures, ils comprennent avec les événements sociopolitiques. Nous avons une vingtaine d'années de démocratie quand même, ce n'est pas rien. Ils sont en train de comprendre petit à petit qui fait quoi et quels sont ceux que les gens sont en train de généralement. au fond, Nassirou, est-ce que c'est pas pour un problème d'argent que les élections ont été reportées Dans tous les cas, problème d'argent ou problème de tech, aucune raison ne peut tenir véritablement, je vous dis, pour convaincre les citoyens aujourd'hui. S'il n'y a pas d'argent, c'est pas possible. Hein. S'il n'y a pas d'argent, c'est pas possible, d'accord, mais l'argent, on le cherche. Et jusqu'à preuve de contraire, personne ne s'appuie dit seulement pour nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Et vous savez, autant que moi, l'organisation des élections n'est pas l'apanage du pays propre qui l'organise. Il y a des partenaires qui appuient. On ne va pas me dire que les partenaires n'ont pas de l'argent pour appuyer. Donc là aussi, il faut des arguments solides pour convaincre. Il ne s'agit pas de balancer n'importe quel argument. Il faut balancer des arguments qui tiennent et qui peuvent convaincre un temps soit. Les élections, la prise en charge financière des élections étant une affaire du Niger et des partenaires, il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'on nous dise que le Niger ne peut pas assurer sa contrepartie des finances qui peut organiser les élections locales. Donc cherchons ailleurs, ne cherchons pas encore du côté de l'argent. Vous venez de suivre le président de la Voix des 100 voix Nassir Sedou, sur le report des élections locales et municipales à une date ultérieure. Dans nos prochaines éditions, vous suivrez le point de vue d'autres acteurs. Le ministre délégué au budget a animé hier soir un point de presse au cabinet de la, du Premier ministre. Objectif, expliquer aux fonctionnaires de l'État les raisons pour lesquelles leurs indemnités ont été amputées ou coupées euh, le mois de septembre dernier. Pour Ahmed Djadoud, cette initiative vise à mieux contrôler le système financier du pays. Les propos d'Ahmed Jadoud ont été recueillis par notre reporter Habib Garba. Au début du mois de septembre, il a été opéré un certain nombre de coupures d'indemnités sur les salaires des fonctionnaires de tout le secteur. Ces coupures ou ces suspensions temporaires étaient parties du constat qu'il y a un certain nombre d'agents de l'État qui bénéficient des indemnités dont ils ne sont pas bénéficiaires. C'est-à-dire que certains agents de l'État, quand ils quittent leur fonction, il n'y a pas une mise à jour qui est faite. Il y a aussi l'autre cas qui peut être valable où des agents qui doivent bénéficier d'un certain nombre d'indemnités, mais du fait que la mise à jour n'est pas faite de leur acte de nomination, bénéficient pas de, normalement de ce qu'ils doivent bénéficier comme prime ou bien comme indemnité. Donc, partant de ces constats, nous avons analysé qu'il est nécessaire de mettre en place un certain nombre de mesures correctives pour davantage assainir notre fichier de paix. Nous sommes dans un grand projet de, conception, de mise en place d'un fichier biométrique qui nous permettra de suivre à long et à large, en temps réel, la situation des agents de l'État pour véritablement, comme je l'ai dit au début, assainir et contrôler l'évolution de la masse salariale. C'est partant de ce principe, partant de ces constats que nous avons mis en place ces mesures qui, je voudrais ajouter qu'elles sont des mesures provisoires. Provisoires dans le sens qu'on n'a pas coupé pour couper de manière définitive, on a coupé dans le sens de rétablir une certaine justice. Donc c'est dans le sens de corriger cette injustice structurelle qu'on a mis en place ces mesures qui ont certainement un caractère, on va dire, d'une certaine injustice euh, conjoncturelle. Conjoncturelle dans le sens qu'elles sont temporaires. Lorsque ces mesures ont été mises en place, nous avions notifié aux différents directeurs des ressources humaines des ministères sectoriels concernés de nous faire parvenir l'ensemble des fiches ou des informations concernant leurs agents qui sont sous leur responsabilité pour pouvoir effectivement faire ce travail de contrôle. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup ont été mis à jour, c'est-à-dire que les coupures qui ont été opérées pour un certain nombre d'agents de l'État ont été rétablies parce qu'ils ont apporté ces justificatifs. Je ne peux pas avancer un nombre parce que le travail il est en cours, mais il faut reconnaître peut-être que euh, dans le timing de la communication, il aurait fallu d'abord avertir les gens avant de mettre en, en œuvre la mesure, ce qui n'a pas été fait. Nous sommes partis constate d'un constat d'une certaine injustice qui est en train de se faire, qui est inacceptable. Parce que le gouvernement et les ministres des Finances et du, budget, les comptables auprès du peuple. Donc cette orthodoxie nous oblige quand même à mettre en place des mesures à défaut de disposer, on va dire, de, des instruments appropriés, comme je disais, les fichiers biométriques. Donc c'est des mesures intermédiaires, puisque le fichier biométrique, le processus de sa conception, il est, il est déjà lancé. Je ne peux pas vous donner un timing, mais pendant cette période transitoire, il est important aussi de se dire qu'on ne peut pas attendre le fichier biométrique Très pour pouvoir assainir. Cet assainissement, il est nécessaire pour la viabilité des finances publiques, pour la transparence, pour l'orthodoxie budgétaire. Entre hier et aujourd'hui, nous avions discuté avec les syndicats dans un cadre vraiment amical où nous avions expliqué le but, la motivation, mais aussi le caractère provisoire de ces mesures-là. Et ils nous ont très bien compris. Nous avions convenu de la date du 1er décembre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, étant donné que l'information apparemment n'a pas été fluide ou n'a pas circulé comme il le fallait, nous avons convenu que nous allons rétablir tout le monde. Mais nous nous donnons la date limite du 1er décembre pour que les gens nous apportent tous les justificatifs. Donc, dépasser la date du 1er décembre, tous ceux-là qui n'ont pas pu apporter les justificatifs seront coupés d'office. Et nous allons faire ce travail de concert avec tous les ministères sectoriels pour qu'ils puissent diligenter ou faire diligence pour ce qui est de l'envoi des actes de nomination et toutes les pièces qui sont demandées. Et donc, je dis aussi le travail de rétablissement continue pour tous ceux-là qui ont déjà apporté des, justificatifs, parce qu'on a déjà rétabli certains qui ont apporté, et on va continuer à les rétablir. Vraiment, le fichier biométrique, il est important pour pouvoir disposer poser d'une situation exhaustive et transparente de, euh, des agents de l'État. Mais ça, le fichier biométrique n'est qu'un élément parmi toutes les réformes, euh, on va dire, de modernisation de notre administration, en particulier ce qui concerne le ministère des Finances, qu'il s'agisse de la douane, qu'il s'agisse des impôts, qu'il s'agisse du trésor. Il y a un certain nombre de, de réformes qui sont en cours, qui sont censées normalement non seulement accroître la productivité de ces administrations, mais aussi apporter davantage de transparence dans l'exercice des fonctions qui sont le leur. Mais au-delà, notre objectif aussi, c'est d'élargir ces mesures à d'autres secteurs, à d'autres dépenses parce qu'il ne s'agit pas seulement d'assainir la masse salariale, il s'agit aussi d'assainir toutes les autres catégories de dépenses. Donc nous allons entreprendre et nous allons étudier tout l'impact que cela représente sur nos finances publiques et entreprendre ces mesures, mais prochainement avec un timing et avec une information assez coordonnée et de manière concertée avec tous les partenaires, avec tous les acteurs que ces mesures peuvent concerner. Donc ça, c'est le premier élément. Je voudrais aussi souligner le fait que je vois certains, euh, certains commentaires dire qu'il s'agit d'une mesure parce que euh, pour des questions de tension de trésorerie. C'est pas de ça qu'il s'agit. Même les États riches sont riches parce qu'ils font des contrôles. Même ceux qui sont riches, ils ont besoin davantage de ressources. Donc, est-ce que c'est parce qu'on ne dispose pas des ressources qu'il faut faire le contrôle, ou bien parce qu'on a, on a beaucoup de ressources pour faire le contrôle Non. Quelles que soient les situations dans lesquelles on est, le contrôle s'impose. Parce que le contrôle, c'est pas parce qu'on n'a pas de ressources, c'est parce qu'on a ce devoir de transparence, ce devoir d'orthodoxie. On est comptable aux yeux du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je voudrais aussi souligner le fait que depuis le début du mois de septembre, on a payé plus de trois mois de, de PQ plus de 10 milliards. Mais on les a payés sachant que nous disposions déjà des résultats de l'enquête de la qui nous révélait qu'il y a 3 milliards qui sont gaspillés à des contractuels fictifs. On aurait pu se dire que du moment où on a ces éléments, on peut ne pas payer les, les, tant qu'on ne dispose pas d'une situation réelle. Mais malgré tout, on a payé. Cela suppose qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont été payés, des contractuels ou en tout cas des contractuels fictifs, qui ont été payés et ne devraient pas recevoir ces pécules On n'a pas demandé des comptes. Mais tout ce travail va nous permettre d'assainir davantage ces et d'ailleurs, je dois encore ajouter que le résultat de l'enquête de la l'ALSIA ne concerne pas encore d'autres régions comme Maradi, comme Zender, comme Tilaberi. Et c'est des régions qui représentent au moins plus de 3 milliards en termes de masse salariale populaire, ou si je peux m'exprimer ainsi, mensuelle. Tilaberi, c'est 1 milliard 325 millions. Zender, c'est 1 milliard 7 millions. Et Maradi, c'est aussi au-delà de presque 1 milliard. Je n'ai pas le chiffre exact pour Maradi, ça m'a échappé. Mais c'est ça. Et cela suppose que si on prend en compte, puisque l'enquête de l'ALSIA, l'analyse des résultats de cette enquête continue, et là, suppose qu'on peut partir au-delà. Donc, c'est tout ce travail que les uns et les autres doivent regarder et contextualiser aussi ces mesures-là. Il ne s'agit pas de, de, stigmatiser qui que ce soit, pas un secteur, c'est l'ensemble des agents de l'État qui sont concernés. Et l'autre dernier point sur lequel je voudrais revenir aussi, il y a aussi des, des, salariés, entre guillemets, des agents qui continuent de bénéficier, des gens, j'allais dire, parce que je ne sais pas s'ils sont fonctionnaires ou pas, qui continuent de bénéficier des salaires véritablement sans être en, en activité, des retraités, des stagiaires qui bénéficient d'autres avantages. Et à la fin, il y a une situation de trop perçu qu'il a. Nous sommes aussi en train d'entreprendre ce travail pour évaluer, pour identifier quels sont ces agents-là. Et le moment venu, quand nos analyses nous permettent vraiment d'aller dans la mesure, nous communiquerons et nous allons mettre fin à tout ça. C'est ça l'objectif. C'est assainir, comme je l'ai dit, je le répète, c'est ça l'objectif. L'assainissement des, de euh, la gestion des finances publiques. Voilà le ministre délégué au budget expliquant les raisons pour lesquelles les indemnités des fonctionnaires de l'État ont été coupées le mois de septembre dernier. À la suite de cette intervention du ministre délégué Obligé, le syndicat national des enseignants du Niger a réagi par la voix de son secrétaire général. Pour Issoufou Arizika, le SNEN e n'est ni d'accord avec les raisons avancées, ni avec la méthode utilisée par le ministre délégué. Je vous propose de suivre la réaction de Issoufou Rizika, jeune au téléphone par Rahila Toussoumana. Euh, j'estime qu'aucun syndicat au monde, aucune organisation de justice sociale, de défense des droits de l'homme ne peut s'opposer à une opération d'assainissement. Nous ne sommes pas d'accord qu'on se jette tout droit dans les salaires des gens et qu'on se mette à les couper sous prétexte qu'on peut, qu'on veut assainir. Nous avons estimé qu'il aurait été mieux de prévenir d'abord les intéressés et de collaborer avec les ministères de tutelle des différents secteurs qui sont concernés par cet, assainissement-là, qui a connu la coupure de plusieurs indemnités dans les salaires des gens à des moments où les dépenses sont là et elles font face à tout le monde. C'est une chose à condamner. Il aurait fallu dans cette collaboration-là demander au ministère en charge de l'éducation de fournir la liste de tous les enseignants et de leurs responsabilités et de leur emploi et des fonctions qu'ils ont qui impliquerait l'octroi d'une indemnité ou d'une prime. À ce moment-là, ils ont un document de base pour opérer leur assainissement. Mais vous ne pouvez pas comprendre qu'on prenne toute une population, qu'on l'incarcère et qu'on lui dise d'attendre à ce qu'on finisse les enquêtes pour savoir qui est coupable, qui ne l'est pas avant d'ouvrir la grille de la cellule. Ce n'est pas juste. Nous, nous avons pensé. C'est la démarche inverse qu'il aurait fallu qu'on fasse. On ne l'a pas fait. Ils ont commis des exactions sur les salaires des gens et maintenant, ils estiment même nous donner un délai à partir duquel, lorsqu'on ne restitue pas les parties qui suffit qu'on a droit à cette indemnité ou une prime, ils vont passer au trop c'est-à-dire on va faire rembourser. D'abord, les mécanismes de parce qu'il va se passer comment Lorsque vous ne savez pas à quel moment un directeur a pris fonction et qu'il devait avoir droit à cette indemnité de responsabilité, c'est un exemple. Pendant 10 ans, il a exercé légitimement. Par exemple, en janvier 2016, on le descend de son côté du directeur pour l'envoyer ailleurs. À ce moment-là, vous venez vous opérer, couper son indemnité et vous dites de vous fournir un papier pour le de Ce directeur-là, s'il n'est pas encore directeur en fonction, ne pourra pas vous fournir un papier. Et lorsque vous allez le placer entre trop petit, ça veut dire que vous risquez de lui couper toutes les indemnités dont il a bénéficié légitimement pendant les 10 années. Parce qu'il n'y a aucun document qui vous montre à partir de quel moment il n'était plus en droit de bénéficier de cette indemnité-là. C'est pourquoi nous avons pensé, au lieu d'aggraver la situation en mettant une mesure problématique dans une autre, ils auraient dû d'abord arranger cette erreur-là qu'ils ont commise, c'est-à-dire attendre que les ministères leur fournissent tous les papiers qui vont leur donner la liste de tous les enseignants dont les fonctions qu'ils occupent pour impliquer l'octroi d'une indemnité ou d'une prime à ce moment-là. Ils vont aller doucement et essayer de décider par quel mécanisme ils vont positionner les trop perçus. Nous sommes d'accord avec l'assainissement, nous ne sommes pas d'accord et nous rejetons la manière dont elle est opérée. Et s'ils vont passer aux trop perçus, en tout cas, ils risquent de créer l'épicentre d'un problème que, eux, au niveau du ministère des Finances, ne vont pas gérer dans le secteur de l'éducation. Et en tant que praticien, avez-vous des conseils à prodiguer Dans le secteur de l'éducation, il est important que tout ce qui concerne l'enseignement et la stabilité de ce système éducatif-là concerner les ministres en charge de l'éducation. Nous avons eu l'impression que lorsque nous avons porté l'information devant les ministres en charge de l'éducation, qu'il y a un problème qui est en train de se passer au niveau des finances et qui risquerait d'impacter sur la stabilité de l'éducation, il semble ne pas se sentir très concerné. Mais alors je crois que lorsque ces attaques salariales vont continuer et que les syndicats vont répliquer, ils vont comprendre, en fait, c'est un problème dont ils sont concernés au premier plan. Alors le conseil que j'ai à leur donner au niveau des ministères de l'éducation, il faudrait qu'ils prennent ce problème-là au sérieux et qu'ils considèrent que c'est leur problème à eux, parce qu'il peut impacter dans le secteur dont ils sont responsable. Au ministère des Finances, au lieu de continuer à ajouter des problèmes sur des problèmes parce qu'ils estiment qu'eux, ils détiennent l'argent et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il faudrait qu'ils arrêtent de continuer à provoquer les gens parce qu'ils tiennent le salaire des uns et des autres. Le salaire dont ils nous payent ne leur appartient pas. C'est un salaire qui émane des différentes contributions des contribuables. On leur a juste demandé de gérer, qu'ils temporisent et qu'ils trouvent une méthode pour gérer cette affaire David de l'État. Nous sommes d'accord qu'il y a des agents qui sont en train de bénéficier injustement de ces, indemnités et autres primes. Mais ce n'est pas normal de condamner tout un groupe avant de faire les enquêtes et sortir. Nous estimons que ce n'est pas ça la bonne méthode. Monsieur Arzika, je vous remercie. Merci beaucoup. Issouf Arzika, secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger, SNEN, répondant au ministre délégué obligé sur les coupures des indemnités de fonctionnaires de l'État pour le mois de septembre dernier. La suite de ce forum, contrairement à l'année passée, cette année, les pluies ont été précoces dans la région de Tilabiri. C'est ce que souligne la direction régionale de l'agriculture. Mais tout de même, des attaques d'insectes floricoles, de sauteriaux et d'oiseaux granivores sont enregistrées dans plusieurs départements. Explication avec euh, Zakaria Oseidou, directeur régional de l'agriculture, au micro d'Abdoulaye Mamoudou. Dans un premier temps, on aimerait bien que, monsieur le directeur, euh, que vous nous fassiez le point de la situation agricole dans la région de Tilabéry. Ce qu'il faut rappeler par rapport à la campagne euh, en cours, je veux dire la campagne agricole, il est à noter que cette année, la pluie a été plus précoce que l'année dernière. Les premières pluies utiles ont été enregistrées à partir de la première décade du mois d'avril contre la deuxième décade du mois de juin 2015. Donc, euh, il y a pratiquement presque un mois d'avance par rapport à l'année passée. Par rapport à la première pluie, nous avons enregistré 44 villages du département de Saï qui ont fait leur premier semis. Et de l'ensemble, à la date d'aujourd'hui où on vous parle, l'ensemble des villages, je vais dire les 2000 villages agricoles qui comptent la région de Tilabiri, ont semis. Mais il y a eu des, phénomènes exceptionnels, notamment le cas des inondations, le cas des sécheresses et le cas des attaques des ennemis de culture, notamment des sautoriaux, qui ont fait perdre à un certain nombre de villages d'Orsini. Et à la date d'aujourd'hui, où on vous parle, nous avons, 66 villages qui sont dans ce cas. Ça veut dire sans semis. Donc, ils ont sémé, ressémé, donc tout ça, et ça n'a pas pu tenir finalement. Ils ont quels, sont, quels, sont, ces villages Donc, les euh, le village, euh, les départements concernés, nous avons 22 villages dans le département de Filingué. Nous avons 22 dans le département de Baleyara et 9 dans le département de Abala. On peut avoir euh, le, nom de quelques villages qui sont concernés Oui, là, et, euh, je peux vous le donner, mais euh, après je vais vous le donner. Donc nous avons 13 villages pour le département de Walam. Donc dans l'ensemble, à la date d'aujourd'hui, c'est ces villages que nous considérons qui sont dans la situation de non semi et à partir depuis la situation à mi-parcours du mois d'août, nous avons pris ça en compte dans le cadre de nos perspectives des cultures irriguées. Car, comme vous le savez, les deux cultures se complètent, les cultures diverses et les cultures irriguées. Notamment, donc, quand on passe aux différents stades phénologiques, il est à noter que la situation est globalement, globalement bonne. Les stades euh, dominants que nous avons au niveau de la région, nous avons 45% des stades pour le mythe qui sont au stade de Les stades le plus avancés, nous avons la maturité, où on est à 40%. Les stades les moins avancés, nous avons monté 15%. Pour l'unité, e les stades dominants, nous avons la formation de bourse qui est à 50%. Les stades les plus avancé, c'est la maturité où nous avons 35%. Et le moins avancé, c'est la ramification où nous avons les 25%. Dans l'ensemble, nous pensons qu'à la date, conformément à nos projections, la situation peut être acceptée comme satisfaisante. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut noter à un temps, nous avons des inquiétudes, notamment dans certains départements, notamment à Gouté et une partie du Tilabiri, avec euh, une sécheresse qui a commencé à nous inquiéter. Mais avec la reprise des pluies, Dieu merci dans l'ensemble, comme vous le savez, le milieu l'a doté de cette capacité. Quand il y a une pluie, même ceux qui semblent être doués à la possibilité de redémarrer. Nous avons ce cas. C'est un peu ça. Je ne sais pas si vous passez sur la route dans la zone de Gauthier et autres, vous allez constater qu'il y avait des murs qui étaient au stade pratiquement cramé. qui ont eu la chance de le Et à la date d'aujourd'hui où je vous parle, la plupart sont au stade Grenaison. En tout cas, ils sont à un stade où nous pensons que ça peut aussi aboutir. Maintenant, dans l'ensemble, la situation qui nous inquiète, c'est un peu les attaques. Notamment, nous avons les attaques des insectes floricoles, nous avons les attaques de sauturios, nous avons aussi même des oiseaux granivores dans le département de Bani Bangou, notamment dans les villages de Sinagodor et autres. Le mil est au stade Grenaison dans cette zone, où ça a vraiment attiré notre attention, mais Dieu merci, avec l'appui de la, Direction générale de protection des végétaux, qui nous ont doté des produits spécifiques, de ce comme vous le savez, chaque type d'ennemi a ses propres produits pour le traitement. Dieu merci, nous avons eu un appui un produit phytosanitaire, nous avons traité et le résultat est concluant. À la date d'aujourd'hui, nous sommes en traitement, notamment dans la zone de Filingué où nous avons la plus grande infestation, notamment en Soturio, dans la commune de Chicale. À la date où je vous parle, nous avons deux équipes mobilisées, motorisées, qui sont en action dans la zone. Donc nous pensons un peu dans les autres départements, notamment Gauthier, Terra, Colossai. Ça, c'est normal. Nous avons aussi quelques cas que dans l'ensemble, l'ensemble de ces cas, sont maîtrisés. Et comme je l'ai dit un peu si haut, c'est les ancêtres floricoles, c'est les sauterelles, c'est les autres. Comme vous le savez, c'est vrai, c'est des ennemis des cultures pour nous, mais de l'autre côté, en tant que protecteur des cultures, nous n'avons pas aussi le droit de tout tuer. Donc, des fois, c'est un peu, un peu ça. La petite incompréhension que nous avons avec euh, les autres, pour nous, il y a un seuil de traitement où ça nous permet de créer un équilibre. Mais dans l'ensemble, nous pensons que la situation est bonne elle est maîtrisée. Maintenant, si on rentre par rapport à la situation alimentaire, dans l'ensemble, nous avons constaté les prix moyens de 1000 à la même période. En 2015, le 1000 était à 228 francs le kilo. À la date, il est à 236 francs le kilo. Comme vous l'avez constaté, la première alerte, notamment avec euh, les sécheresses prolongées, Déjà, on commençait à perdre un peu l'espoir, mais dans l'ensemble, nous savons qu'avec la recrute, très prochainement, nous allons assister à une baisse des prix de ces céréales de première nécessité, certainement d'une manière très, très sensible. Parce que la production, telle qu'elle se présente aujourd'hui, elle est prometteuse. Mais seulement, et on ne crie pas victoire avant la fin, parce que comme vous le savez, les éléments exceptionnels à tout moment peuvent agir sur nos résultats. Mais nous pensons, en tant que eh, responsable d'activité, avec tous les éléments que nous disposons, c'est un rappel. Chaque 10 jours, ce que nous appelons les rapports des cadres, l'ensemble des départements nous envoie la situation de campagne. Et cette situation, elle est faite du village au niveau département parce que nous avons les chefs des districts agricoles qui font l'ensemble de ces activités et ils envoient au niveau département, ils font la synthèse. la synthèse est envoyée à la région et à notre niveau, on fait la synthèse pour envoyer au niveau national. Dans l'ensemble, ce que je peux dire par rapport à la situation de la campagne agricole 2016 pour la région du Tiradéri. Monsieur le directeur, euh, relativement à la situation phytosanitaire, vous avez parlé d'une certaine incompréhension avec les autres. Pouvez-vous donner des précisions Oui, les précisions, c'est ce que je vais dire. Parce que deux fois, quand on présente la situation, par exemple, si nous avons 2000 hectares si on traite 80%, les gens, des fois, nous posent la question pourquoi ne pas boucler les 100% C'est un peu ça. Et euh, de fois, la petite un peu plus. sinon, dans l'ensemble, euh, on est compris. On est compris. C'est un peu ça. Des fois, les gens sont surpris quand on ne parle pas de 100% de traitement. Donc, euh, c'est par rapport à ces détails. laquelle je profite pour informer ceux qui nous posent régulièrement ces genre de questions. Quoi. Oui. Y a-t-il actuellement des poches de sécheresse dans la région à la date d'aujourd'hui, vraiment, comme je, l'ai dit, si vous l'avez constaté de vous-même, si, euh, je ne sais pas si vous avez d'autres contacts de terrain, en dehors de ces villages qui ont pratiquement abandonné parce qu'ils ont sémé, retiré tout ça, hmm. dans l'ensemble, nous pensons qu'on est en train de boucler le cycle. Il n'y a hmm. pas de situation de sécheresse notoire dans l'ensemble de la région. Pouvez-vous nous rappeler un peu le nom de ces villages dans lesquels on a des poches de sécheresse Nous avons notamment, euh, si vous prenez Wallam, nous avons notamment dans la zone de Kindi et euh, dans le village de Verbaï. Si vous prenez aussi euh, dans la zone de Filingué, nous avons un peu les villages de la commune de Chical. Si vous prenez Abala, nous avons aussi euh, Abala même, le, euh, Abala commune. Donc, euh, dans la c'est un peu des situations comme ça. Si nous disposons de la liste et, avec le nom du village, la population et tous les détails, c'est sur cette base nous, sommes en train de nous atteler, voir euh, ce que nous pouvons initier dans le cadre des cultures irriguées pour que ce soit beaucoup plus en compte que les autres qui ont une situation plus ou moins stable. Merci, monsieur le directeur. Voilà le directeur régional de l'agriculture, Zakaria Oseidou, faisant le point euh, de la campagne agricole à la date du 30 septembre dernier. À l'instar de plusieurs pays à travers le monde, le Niger célèbre aussi du 5 au 12 octobre prochain la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. C'est une méthode qui, depuis plusieurs années, est au cœur des campagnes de sensibilisation destinées aux femmes allaitantes dans toutes les formations sanitaires. Alors, qu'est-ce que c'est que l'allaitement maternel et quels sont ses avantages Je vous propose de suivre ces éléments de réponse avec le docteur Ilyas Idi dans des propos recueillis par Gung Mohamed Antani. Bonjour, monsieur. Bonjour. Docteur, qu'est-ce que c'est que euh, l'allaitement exclusif L'allaitement euh, exclusif, c'est le fait d'allaiter un enfant depuis sa naissance jusqu'au minimum six mois sans adjonction de quoi que ce soit. Pas de l'eau, pas de lait artificiel, pas d'autres produits, uniquement le lait maternel. C'est ça qu'on appelle allaitement exclusif. Quels sont les avantages de l'allaitement exclusif ah, L'allaitement exclusif euh, a beaucoup d'avantages. Et d'abord, c'est gratuit. On n'a pas besoin, sur le plan économique, d'acheter le lait. Et le lait est disponible et chez la femme, il suffit que la femme mange normalement une alimentation riche, équilibrée, variée et qu'elle arrive à boire beaucoup des aliments liquides. Et le lait est disponible à tout moment. Ce lait-là ne peut pas entraîner la diarrhée. Il comporte beaucoup d'anticorps. Ça veut dire ça renforce l'immunité de l'enfant. Ce lait ne contient pas de microbes. Il ne contient pas de germes. On n'a pas besoin de le préparer. Il est déjà préparé et il contient toutes les vitamines que vous connaissez, toutes les substances nutritives qui peuvent participer au développement harmonieux de l'enfant sur le plan physique, psychique et moral, etc. Et c'est elle qui donne l'affection, c'est elle qui est affective, qui protège l'enfant de tout ce qui est maladie infectieuse, et tout ce qui a un lien avec un problème de santé. Quand vous prenez à la différence des autres laits, ils peuvent contaminer l'enfant. Ils peuvent entraîner des troubles digestifs. Et le lait de la mère facilite la digestion. Il ne peut pas entraîner des troubles digestifs. Donc, en un mot, le lait maternel est le meilleur lait. C'est un lait qui assure la protection de l'enfant. Docteur, au vu de la description de ce lait, maternelle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à l'acceptation par les mamans de l'utilisation de ce lait Elles doivent l'accepter si réellement on veut avoir des enfants sains, si on veut avoir des enfants qui demain auront l'affection d'autres personnes au-delà même de leurs parents, de la société, si on veut avoir vraiment des enfants qui doivent grandir avec une bonne moralité, un bon physique, un bon développement intellectuel, un bon quotient intellectuel. Si on veut avoir des enfants qui sont sains, donc pour vous dire que par rapport à ce lait... si on l'a donné à l'enfant, c'est un tout, puisque c'est un lait qui n'est pas comparable à un autre lait. Elle n'est pas comparable au lait de vache que les autres donnent. Elle n'est pas comparable aux autres laits artificiels qu'on donne aux enfants. Docteur, il est évident que par rapport à cette application, des sensibilisations sont faites au niveau des maternités. Comment vous voyez la perception des femmes par rapport à cette euh, utilisation Oui, quand vous prenez dans toutes les maternités, dans tous les CSI, il y a toujours le terme, le thème allaitement maternel dans les programmes d'EPS. EPS, c'est UEC information, éducation, communication pour la santé qu'on fait avant chaque séance d'activité. Voilà, docteur Ilyasu Idi Maynassara dans des propos recueillis par Gung Maman Dantani sur l'allaitement maternel et ce en seconde diffusion à l'occasion de la célébration du 5 au 12 octobre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. 18h54, mot de sport pour dire que le championnat national de taekwondo qui devait se dérouler à partir du 8 octobre prochain a été repoussé. Il est fixé au mois de décembre prochain pendant les congés de Noël. Selon les dirigeants de la Fédération nationale de taekwondo, ce report est dû au fait que le ministère de sport ne dispose pas des fonds nécessaires pour l'organisation de ce championnat. Écoutons Soumana Sanda, le président de la Fédération nigérienne de taekwondo. Eh bien, donc il s'agit de motifs euh, objectifs. Euh, à ma sortie, j'ai tenu une réunion du comité exécutif national. Au cours euh, de cette réunion, le problème avait été posé et nous nous sommes rendus compte que les ligues, pour l'essentiel, n'étaient pas fin prêtes pour venir à ce championnat là dans la mesure où il ne s'agit pas seulement du championnat. À côté, nous avons la formation et le recyclage euh, des arbitres. Nous avons également le passage euh, de grade. Ces trois activités vont se suivre naturellement. Il était important qu'avant le championnat national, nous puissions organiser le recyclage des arbitres parce que vous savez, de l'arbitrage, en tout cas, dépendra euh, des issues heureuses de toute compétition. Donc, euh, nous avons décidé, pour toutes ces raisons, de reporter jusqu'au mois de décembre, donc pendant le congé de Noël, ce qui permettra aussi donc euh, à nos athlètes scolaires de pouvoir prendre effectivement part à cette activité. On parle aussi de manque de fonds nécessaires pour euh, organiser ce championnat. Que dites-vous à ce point-là Voyez-vous, en fait, nous nous sommes toujours débrouillés. Hein. Nous savons que l'État n'a pas ne disposent pas de toutes les ressources pour euh, appuyer les fédérations à organiser leur championnat. Comme par le passé, nous allons en fait euh, nous organiser pour euh, pouvoir tenir cette compétition. Donc c'est principalement la raison en fait qui a fait que nous avons reporté championnat national. national Abdelazak Issouf Alfaga a remporté une médaille aux Jeux de Rio. En tant que président de la fédération, que dites-vous à ce propos Je viens à l'instant euh, de sortir euh, de la séance d'ouverture solennelle de la session budgétaire de l'Assemblée nationale et dans le discours du président de cette institution, j'ai compris que le produit de la Fédération nigérienne de taekwondo que représente euh, Abdelazak Issouf euh, al aujourd'hui fait l'unanimité par rapport à ce sacre. Tant que c'est important pour moi, en tant que premier responsable de la Fédération nigérienne de taekwondo, de constater que par rapport euh, au comportement d'un de nos athlètes, les Nigériens dans leur ensemble sont d'accord pour dire qu'il y a eu des performances et qu'il euh, aurait fallu créer les conditions davantage pour que au Niger nous puissions disposer d'autres athlètes qui vont faire retentir l'hymne national euh, sur les différents théâtres de compétition. Quelles sont actuellement les, plus difficultés que rencontre euh, cette discipline C'est les problèmes récurrents hein, de manque de ressources. Ça, c'est inhérent à toutes les fédérations euh, au niveau national, mais pour l'essentiel, en tant qu'organisation, nous avons ensemble créé les conditions d'une certaine harmonie dans le travail. Nous avons créé les conditions d'une certaine discipline pour pouvoir avancer dans le sens du succès. Donc aujourd'hui, avec euh, effectivement le sacre de Alphaga, nous pensons que les autorités d'une manière générale vont être beaucoup plus attentives, n'est-ce pas, aux déliances non pas seulement de la Fédération nigérienne de taekwondo, mais de l'ensemble des fédérations parce que il faut aider les fédérations, il faut aider les athlètes pour pouvoir euh, véritablement être euh, des très bons ambassadeurs de notre pays sur les différents théâtres de compétition. En dehors du championnat national, y a-t-il d'autres compétitions pour mieux préparer les athlètes Bien entendu, déjà, il y a quelques jours, il y a eu la deuxième édition du championnat Nouracho donc qui a regroupé un certain nombre d'athlètes au niveau de la place de Niamey. Nous comptons au-delà de cette activité très prochainement, à l'occasion euh, de l'ouverture officielle de notre siège organisé en tout cas, une activité qui permettra euh, au public de découvrir véritablement ce qu'était la Fédération nigérienne de taekwondo, ceux qui ont été à sa tête depuis sa création, euh, surtout ce qu'elle a eu à faire euh, à produire comme résultat. Et naturellement, à l'occasion, il y aura en fait euh, des petites compétitions qui vont permettre aux jeunes euh, de pouvoir rivaliser en talent. Qu'en 2020, à Tokyo, nous puissions aligner, en tout cas contre la Fédération Jeunes de taekwondo, plusieurs athlètes pour multiplier nos chances de médailles au niveau euh, euh, des JO, Inch'Allah. Le président de la Fédération nigérienne de taekwondo, Soumana Sanda, sur le report du championnat national en décembre prochain. Voilà, en fond sonore, vous écoutez l'orchestre euh, Orco 5 de la commune Yamé 5. Et sur ce, on se dit à demain avec d'autres thématiques. Bonne soirée à tous. الساعات the sacred